Fada, bonsoir. Très ravi de vous retrouver dans cet espace spécial jeune du studio Kalangu. studio Kalangu Notre thématique d'aujourd'hui intéresse beaucoup les jeunes. Le mariage. Et ça, on s'en est rendu compte après nos multiples échanges avec les jeunes à travers le pays mais en ce qui concerne un samari pour eux ça vient un peu plus tard certains même à l'âge adulte ont peur de cet engagement même avec toute la volonté politique au Niger dans a kankana en décembre 2020 une étude d'UNICEF faisait cas de 116% des filles qui sont mariées avant leurs 18 ans et 28% avant leur 15e anniversaire fadar mu ta yau muna tare da matasan wanda suke cikin arme da wanda ba su cikin armi don mu ji ra'ayinsu bisa kan rayuwar wannan ta armi da kuma abinda wannan arman ya kumsa bayan an shiga cikin shi. 35 minutes dade ba music rubric et de chronique. Top, c'est parti. In an ce arme gurin matasan Niger yana tahe da lorodin shi na uniform, make <laughs> mais ça c'est la partie visible de l'iceberg cependant entre l'imagination et la réalité du mariage, suivez-nous pas à pas, nous verrons ce qui se passe. Comme invité sur cette émission, nous avons Fatima Zara Abdul. Elle est étudiante en droit humanitaire. Ça va Fatima Ça va, je vais bien et vous Ça va, super. Ravi de te recevoir sur cette émission. Ravi également. Nous avons avec nous Rabi Jariri Firdausi, elle est étudiante en droit humanitaire également. Ça va Firdausi Ça va. <laughs> ok. Ça la bienvenue à cette émission. Nous avons Mahamadou Issoufou du Prat. Ça va Ça va bien. Vous allez bien Alhamdulillah. To kan barkan karzo ba je shirin tous fada. A wannan fadar muna tare Mahamadou Halima Saadia. Mahamadou Halima Saadia, elle est commerçante. Halima tu sanu <laughs> petit commerçant. Hein.

Ça va Ça va, alhamdulillah. Halidou, tu vas bien Ça va, je bien. Super. Ben, vous avez compris bien la thématique d'aujourd'hui. On va direct à nos questions. Je vais commencer avec les filles. Fatima Zara Bon, je dirais même pas que j'ai commencé <laughs> à penser au mariage en fait. Uh-huh. Mais dans mon entourage, mes amis, c'est un sujet vraiment. Euh, je peux dire que c'est énervant à force parce que c'est le seul sujet qu'elles ont. Tout le temps, c'est le même sujet, c'est la même thématique qu'on entend partout, même dans les plaisanteries. Maintenant, c'est ça. Qu'est-ce que tu attends pour te marier Ou bien, tu es marié, ça fait quoi Dis-nous les réalités du mariage. C'est un sujet tellement. Et puis, moi, à force, je trouve que c'est énervant. Si tu veux te marier, marie-toi. Ah oui, ça tourne, ça tourne. Elle, ça, la saoule déjà. comment ça tourne <laughs> À partir de quel âge tu as commencé à à avoir des, rêves, par exemple de petite fille Est-ce que tu as voulu déjà, est-ce que euh, tu, jouais déjà à la poupée, tu voulais déjà être la mariée dans les jeux ou la maman dans les jeux Oui, mais après, bon, quand j'ai vraiment compris ce que voulait dire mariage, quand <laughs> je <laughs> Ça va quoi, tu te calmes un peu. <laughs> D'accord. Fidosi, qu'est-ce que je veux dire Je veux quoi ça Quand tu rentres, il y tu as un micro, moi. Qu'est-ce que tu as Tu as samun. Bon, c'est un peu pareil. de ina on jouait à la poupée et tout, je voulais toujours être la mère et tout. <laughs> Mais maintenant, franchement, quand j'ai vu les réalités et tout, c'est flagrant. Et puis, une société gani ce que les gens traversent et tout ça, voilà. Mhm. Donc, je suis pas trop à fond pour me lancer dans tout ça et tout. Bon, je sais que tôt ou tard, je vais me marier, mais quand même il faut bien analyser les choses. <laughs> c'est chaud. Amina, tout pareil pour toi Ça fait peur. <laughs> Donc l'image qu'on avait avant quand on était enfant, là, ça ça a changé. ça a changé carrément. c'est <laughs> Oh. kana ah, celles qui ne sont pas déjà rentrées, on hmm. les rêve brisées déjà. <laughs> Oh, c'est chaud <laughs> oh là, là, là, là, là, là, là, Mais ce que j'aimerais bien savoir, euh, je reviens à toi, Halimatu, ça à dire comment les perceptions qu'on a du mariage, de ça vient plutôt de la famille, ou c'est plutôt les réseaux sociaux, ou c'est les films, ou les chansons hindoues. L'image qu'on a du mariage là, depuis toute petite là, ça vient d'où, à ton avis Daga ina ne kina ke hito? Eh, zan iya ce kuma daga film da muke kallowa. Mana tana film yadda muke gani cikin eh, yan kuflin da suke yana <laughs> sai ka tsammani ko kai man ka shiga aka ne ashe <laughs> mun shiga uku har mun fara samun ashe <laughs> ba ma yi nisa ba kadar akwai aiki ah, ashe ba wasa ba ne sai ka danna zuciyanka in ba ka ba hai je vais venir maintenant vers les garçons maman Rissoufou euh, là tu es marié depuis quand ça fait combien d'années bon ça fait pratiquement un an et demi un an et demi Oui, oui. Ah ouais, t'as plusieurs mois d'expérience. Ouais, ouais, effectivement. Puisque j'avais même un garçon. Ok. Ouais, Donc, euh, l'idée me revient de ma tendre enfance, quoi. Ah oui, ah, pour lui, ça a commencé tôt. Oui, dès ma tendre enfance, puisque dans notre société, le fait de se marier, c'est vraiment un sujet crucial. Ça permet ça permettrait à ce que la famille, l'entourage te respecte d'abord. Puisque il va te mettre euh, dans les prises de décision, puisque considérant comme tu mires, tu, es majeur, tu es responsable à prendre des décisions. Ok. l'autre monsieur avec nous, Halilou. Pourtant, ça s'est passé comment Qu'est-ce que tu t'imaginais et est-ce que ce que tu imaginais là, tu as encore les mêmes images du mariage ou ça a changé Bon, euh, yanzu dai eh, kun san armeni tun can dama ina su abu ne wanda aka san inda kana namiji yau mutuncin kama da daraja ka cikin al'umma ma da cikin cikin famin na kuma iyalin da kuma su girma kama ilfo kai a cikin kai armama dan kan kama da ba parce que mu yau ni baba na bahaushe ne bahaushe maradi ne to su kan maradi Eh, ni na je maradi shekara hudu na maradi kyawun to can za ku ga eh, matashi da wuya za ku ga matashi ya wuce shekara ashirin da biyar a ce bai arme ba tun da yau mun san kowa ya cewa yau duniyan da muke ciki sai hankali rayuwar gata nan ta koina faɗi tashi na wajen abubuwa ga sunan da sai a hankali kenan ni tun can dama Allah dai ne bai yi nihi ba a yanzu dai bai arman ba amma yana cikin niyata ta har yanzu bai canza ba ni arman Hussein na yi shi Ouais. <laughs> Toi, tu as toujours euh, voulu. Euh, en fait, tu as toujours voulu te lancer. Voilà. Ban samba. Wa wanda muke tare da su su ne ba su yin ko kuma ni ne ba ni ba. <laughs> Ni dai ba sani ba. <laughs> Allah zai ga Allah zai ga maka da wanda mai mai mai wanda za ku gane ma. Tana bata dai zo bane. Amma dai ni yanzu tana nan ta kyan yanzu. Bata kyan sa. Ben OK. Là, on voit un peu plus clair il y en a, qui, qui, qui, flippent carrément. <laughs> elles sont pas encore dans cette aventure, mais elles flippent déjà. Ok. Et on a entendu des soupirs <laughs> pour celles qui sont euh, déjà dans, dans le mariage. Et vraiment, certains, ils sont vraiment à la recherche et ils n'abandonneront pas tant qu'ils n'auront pas trouvé la bonne personne pour faire le bout de chemin ensemble. Donc, on va écouter la rubrique rose de l'émission Tous à la Fada. On a une super rubrique pour les filles. Désolée hein, les garçons, mais vous pouvez piocher des choses, mais c'est vraiment pour les filles. On parle maquillage, on parle cuisine, on parle parfum. On l'écoute et on se reprend juste après. Coucou tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique. Du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traités et partagées par nos chroniqueuses. C'est trop cool de vous retrouver dans cette rubrique rose du studio Kalangu. Dans notre espace mode, nous serons stylés en jean et dans la cuisine, on s'occupe des tomates qui inondent les marchés en ce moment. Coucou les filles, ravie de vous retrouver, c'est Bibi. Aujourd'hui, on est vraiment stylé en jean dans la rubrique rose. Comment choisir son jean femme en fonction de sa morphologie c'est une question qu'on se pose au moins une fois pour trouver notre style et bien nous habiller. Le jean est un basique intemporel indispensable à notre garde-robe. Je vous conseille de prêter attention à sa coupe, sa matière et sa teinte, mais plus encore à votre type de silhouette dans le choix de vos jeans. Je vous l'accorde, ça peut être un vrai casse-tête. Nous avons fait quelques recherches, suivez-nous, le jean n'aura plus aucun secret pour vous. D'abord, zoom sur les modèles de jeans tendance. Choisissez toujours votre jean dans une matière épaisse, en coton, avec un peu d'élastane pour le confort et privilégiez la couleur brute ou indigo sans friture d'effet délavé. Évitez absolument les trous en tout genre, c'est dépassé et ce n'est vraiment pas classe. Le jean droit. Le jean droit est un classique par excellence. C'est le plus basique. Comme son nom l'indique, sa coupe est droite ni étroite ni large. C'est un modèle de jean qui se porte facilement, quelle que soit votre morphologie. Le jean slim. Le jean slim est un modèle plus ajusté qui va galber vos formes de façon plus prononcée. Il est resserré vers le bas au niveau de votre cheville. Il est galbant de haut en bas et épouse toute votre jambe. La variante skinny est plus moulante encore. Bon, c'est tout pour euh, l'espace mode de ce samedi. Passons à la cuisine à présent, Mariam. Coucou mes beautés, comment allez-vous C'est Mariam, contente de vous retrouver dans l'espace cuisine de ce samedi. C'est la saison de la tomate et nous profitons de l'occasion pour partager quelques astuces de conservation de la tomate avec vous mes loulous. La première astuce, est la conservation à l'air libre. Les tomates mûres ne doivent pas être conservées au réfrigérateur qui leur fait perdre leurs arômes. Conservez les tiges en haut dans votre cuisine, pas trop serrées si elles sont dans une corbeille à fruits et sel. De nombreux fruits émettent de l'éthylène, les tomates également, et se font mutuellement mûrir plus vite. Elles se garderont entre 3 et 5 jours selon leur état de maturation, la température, leur variété, etc les tomates vertes se conservent dans un endroit frais, dans un sac à papier ou une caisse en carton. Elles mûriront petit à petit, mais si vous souhaitez accélérer le processus, placez parmi elles une pomme. La conservation à la stérilisation permet une durée de conservation de plusieurs mois à un an et de multiples préparations. Des tomates pelées cuites une vingtaine de minutes avec des aromates puis mixées en bocaux. Avec du jus et on stérilise le tout. Les tomates entières sont ébouillantées dans une bouilloire durant 15 secondes puis rincé et pilé avant d'être placé dans un bocal stérilisé sans aucun ajout. Le jus de tomate. Le chutney de tomate délicieux condiment peut tenir jusqu'à 6 mois. Le froid. Faites donc votre propre ketchup, il se conservera 3 à 4 mois au réfrigérateur. Merci Mariam on va bien profiter de la saison. Hein. C'est tout pour aujourd'hui, amis jeunes. On se dit à demain pour encore plus de bons plans. cuando me toca. I'm a boss, you gon' do what I say. Follow the lead, the lead, the lead, I come my way. Take your tongue and you stick it out like eh, eh, eh. Try not just the hot, It's so tight. You got that chocolate, that yum yum, come give me some. I'm candy, sweet as gold, it's soft like a sugar plum. Roll up that tootsie, that Hershey, that bubble gum. I got a sweet tooth for love, baby, give me some. la rubrique close de l'émission tout ça la Fada avec nos amis jeunes. On parle mariage, mais pas que ça. Entre le rêve et la réalité, on veut voir l'écart avec eux. Qu'est-ce qui se passe au fond Qu'est-ce qu'on a imaginé Ça, on l'a entendu. Là, on va plonger dans la réalité. Je passe direct à ma quatrième question. To, ku wa'anda kuke cikin arman, ku gaya mana ra'ayin da matasa kuke gani suna da bisa kan armi da bai kamata ba a ce suna da shi. Halima Sa'adiya gare ki. sai ko imagine ki ne pas vraiment vrai hein abun ga zan ce wa matasa su cira bisa kansu wadansu su ce bayan na yi haure ina da liberté na duk me nake so zan yi menene da menene ba mai takura min to wannan kai yare to to akwai lokaci ma kuna da biki gidanku ne fa ya san wai gidanku ne kina son ki je to kina son <laughs> kina eh. son ki je wajen eh ana miki wai ka ki je kuma ya san wai a gidanku ake yin shi kekin garwai saboda ya zama nakun nan wannan me shi ya hana miki mijinki ne dole ne ba za ki je ba ba za ki ji dadin shi kuma ba ko ki ce wai kina so wanga abincin ki ce kina so ga abinci shi ya ce wai shi habada ba wannan yake so ba ka bari wannan duka fa ka rai ne ji <laughs> <laughs> duk mafarki ne fa wallahi sai hankuri aure kan sai hankuri Hmm. kenan haƙuri nan da ake cewa sai dai shi dai ne fa a ni wata ni na da wani kawai fa example ma suka kira in suka kira sai ce in suka baya sun gama mun gama gaiso sai ce ya hankuri Allah kara muna hanku na ce a ah. Allah sai arrivé là ba na ce ina samani na ce ina samani ni kade ne ashe mu duka ne na ce a ah, to sai hankuri mais Mamadou Isufu je reviens vers toi tu es le deuxième marié sur cette émission Est-ce que chez vous, les hommes, il y a des, les jeunes hommes, il y a des idées préconçues qu'on a sur le mariage qu'on devrait abandonner, selon toi, que vraiment les jeunes ne devraient pas se mettre ça dans la tête parce que la réalité, elle est différente Oui, effectivement. Eh, avant de se relancer dans un projet de mariage, il y a beaucoup de paramètres à suivre quand même. Maintenant, la réalité, c'est que une fois que le mariage euh, est scellé, vous avez le devoir de prendre beaucoup de choses à main. D'abord, prendre en charge une, une femme mérite euh, vraiment une, euh, une bonne assise financière et tout. De capacité et aussi être euh, apte financièrement quand même. Puisque c'est là où les gens font des amalgame quoi. Ouais. C'est-à-dire quand vous êtes hors mariage. Il y a des promesses auxquelles euh, tu peux toutefois satisfaire en, faisant recours au tonton ou à X ou bien à Y. Mais une fois sur... Euh, sur le place, c'est toi qui gères. C'est toi qui gères, tu vas prendre tes responsabilités. Donc, euh, vraiment, la réalité est toute autre. Ce qu'on imagine avant le mariage, une fois dans le mariage, vraiment, il y a un écart qui se dégage. Mais comme on dit, quand on veut, on peut. Quand on veut, on peut. Oh, oui, donc, il bah- n'y euh, a rien à craindre. Il faut se relancer. Dieu au contrôle. Bah, <clears throat> les filles, vous l'avez entendu, euh, une partie de, la réalité. Fatima Sur le fait je peux m'imaginer. C'est pour cela que je dis, je réfléchis avant de m'engager parce qu'il y a aussi cet aspect. Chez tes parents, tu as cette liberté de choisir ce que tu veux manger, quand tu veux le manger et comment tu veux le manger. Alors que quand tu es chez ton mari, tu dois aussi prendre en compte la ses sentiments à lui, c'est qu'il veut aussi, tu dois aussi t'abstenir de faire certains trucs qu'il n'aime pas. À partir du moment où tu intègres ça dans ta tête, ce sera facile. Mais c'est le temps que ça prend pour intégrer. <laughs> intégrer ça. bon, c'est le temps. Amina, comment tu prends euh, en compte ce que, comment tu réagis face à ceux qui sont en train de dire, ceux qui sont mariés là? Euh, kamar duma maganganun da suke hodi kamar sai suna ba mu tsoro awai kin har tsorata suna ba mu tsoro kamar ba su nan encourage mu da cewa kai ku yi arme za ku ji daɗi za ku zama da za ku kaza za ku itace me sai suna da kuraje mu ban san me yasa ba wai wai wai abin da ya kamata su mu shine su kwatanta mu cewa arme yana da daɗi kuma yana da eh, ciwo ne ciwon shi Eh, kuma menene sekere inda zai sa ka na lahiya ka ji daɗin arme shine ka yi hakuri sarta ni ban yi arme ba amma ina jin kuma yadda mutane ke hudi ko kuma in ce yadda abin ga ma'aurata ke hudi shine cewa ka ji daɗin ka shine ka yi hakuri kuma ka girmama mijinka mijinka shi ma ya girmama ka komi mai wucewa ne saboda komai mai wucewa mu ma da kama muna wucewa balle abin duniya da za a yi mm. to halilu ka ji ita da amina ta ce ba ta nan garin an kurashi ma cikin harkar sadan fa'an vi kai fa eh, ya ne kake ganin wannan reality wannan wanda suka fara hiddowa su wa'annan wanda suka yi eh, arma mamar isufu da sadiya haka ne eh, gan ke yau in mace ce mijinta mhm. mijinki dai yana ya ganki ne tun ba aure ma kin shiga mai kawai ya ya dace ma a ce kawai ki zama wayan na shi kenan ya je gidan ku yaran yake kawo ki kenan gan nake bai kamata ba a ce kina tsoron shi ba kenan yau in akwai wata matsala biska abincin da suka ce wai a'a sai abun da ga dama ko kuma abun da kake so baki ci ko bikin gidan ku baka ah, tahiya yau ai sai akwai ba wai ban cewa bai yiwa ba a san fursan ba me ba duka ba akwai exception cikin duk komi bai yiwa ce kullum wai sai shi abun da ga dama ne za yi bai yiwa mana eh mana ke ma ai ai ke inda kanki ma ai kullum abun gare ki yake mana kenan yau ya zo yake to madam wallahi ne yau kaza nke so kenan shi bai da in keke abun abun kaza nke so ai dole sai naki ne za a yi kullum a ah? kullum shi ke haɗu akwai wanda shi akwai wanda shi yawa akwai wanda shi ina jin ki amina me kika ce naje kullum shi ke haɗi mm. kullum shi ke da incin haɗi to ba haka nan na sha ganin wanda su in za su yi ta a ah, kudin ba su ma baka damar cewa kai ka faɗi abu da kake so <laughs> <laughs> ba su ba tambaye ka bi kake so <laughs> to ina za ka magana shi mijin naka yanzu abincin ma shi ne zai cewa kaza nake so ma ah? kullum shi ne zai cewa miya kaza zaki eh. kullum kullum ni kaza nake so kaza nake so kaza abban su amma dai gaskiya sauran maza ba ba su bai tambaye cewa mi eh? wadansu wani kai musu nasu kai eh. naka da kake so sai su ce ma kana ba ta abinci kana ba ta abinci eh kana ba ta abinci ya za ka yi abinci biyu kana ba ta abinci ah, eh. okay zai <laughs> sai kana ba ta abinci ai kai kamar eh, eh, by the example akwai wani mm. lokaci da cikin gidanmu saboda muna kan iya hada abinci muna yi mu muka wuta da muke mm, gyara mikro mm. muna hada abinci muna yi to ranar ba ni nake da girki ba sai suka yi fako ni kuma ba na son fako sai na girka sai mai gida ya zo ya gani a'a ya an yi abinci na gan kina yi kuma ka san ni kafin ma yaro ya san ni dama bana cin fako eh kafin ya ni ma ya san ni wai bana son shi na riga ya san wai bana ci na ce mu yadda aka yi ne ban so bana cin fako wai shi ne na zo ina yin abinci ba ta abinci wai dole sai na <laughs> koya abin garba na so kasan ba na so wai eh, dole sai na koya eh ki effort ki ci eh saboda na shigo ne dole sai ben euh, le mariage à la base on se dit que c'est une belle aventure et là, juste sur cette fada même, ça prend une tournure plutôt triste. bon, ce qu'on va faire, qui est un peu quand même le débat. <laughs> Parce que le mariage, euh, quoi qu'on dise, on parle d'amour. C'est pour ça que je vous propose la chanson Wurus de Walisek. On va au Sénégal. C'est une chanson, une belle déclaration d'amour en chanson. On l'écoute et on se reprend juste après. on, baby, go go high. Mm, yeah. Baby, I'm man. تدلنا لو خمني منو درا عطان كيف فوق ما قد فجون درا تكلي أربع تيفن كتكرا دنيا دي بايك برم دنيوم ني دكي آيا Baby, I just want real love, real love. I just want love, real love definitely I don't want to lie. I'm a kon fajul dara bay len te ñëw ma takal lo or 24 kara urus 24 kara ngalam 24 kara xana du mala yene yéene tëddal nelaw xam ni mënul dara avant gi ba fukki mer kat fajul dara takkale or ba ci kara dañ leen di bàyyi përëm bi ñi dëkkee ayaa baby I just want real love real love I just want love real love definitely I don't want lie

soit pas si loin de la réalité. Ça, on l'espère vraiment pour tous les jeunes mariés qui nous suivent sur cette émission et pour les futurs également. Fatan Teo euh, da muka dora anan Studio Kalangu Tarada amanam Namo, wanda Kagayato, gayyato bakin namu muna zancen bisa kan arme wai ra'ayinsu bisa kan arme kan ka shiga kuma in ka shiga wai menene wannan rayuwar arme ya kumsa. Chiessa yom Patimazara Abdul elle est étudiante en droit humanitaire Rabiou Jariri Firdausi étudiante en droit humanitaire Mahamadou Issoufou du Coniprat Mahama Halimatu Saadia elle est commerçante Amina Salifou pharmacienne et sportive Lawali Musa Halilou il est assistant administratif zan zo ga tambaya karshe sur cette émission on en sait un peu plus sur les rêves même si on s'est réveillé un peu tôt Certaines ne sont même pas rentrées dans le mariage, euh, <laughs> elles ont déjà changé la vie. Mais on en sait aussi un peu sur la réalité. Maintenant, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est comment justement faire face à cette réalité pour profiter de cette belle aventure qu'est le mariage. À votre avis, je commence par toi, Halilou, parce que tu avais commencé euh, à aller sur ce terrain. Mm, voilà. Euh, comment on peut faire kenan ana samun sabani yau yan adam ba banza ba Allah ya samu na hankali ba kenan mutum ke kaman kai sai ku zo ku zamna to wacce kwana biyu na kin canza mini to lahiya me ya faru to wallahi mai gida ka shi kaza kaza kaza kaza wallahi bai nan ga bai nan ga dadi son ce in san samu ne ka bar irin gabun ba ni jin dadin shi à t'entendre parler. La communication, c'est la clé de tout ça. Hmm. Il y a quelqu'un qui peut me dire autre chose, qui voit autre chose. Je pense que communication n'est pas raison. Il faut aussi que la personne comprenne ce que tu veux dire. Fatima vous pouvez communiquer et puis ne pas vous comprendre. C'est juste, il a parlé, je l'ai écouté, mais je ne l'ai pas entendu. Et aussi, j'ai parlé, il m'a écouté, mais il m'a pas entendu. Il faut aussi comprendre et savoir intégrer. Mais si vous, juste vous venez, vous communiquer, mais après, chacun fait ce qu'il veut, ça ne sert à rien. La communication et la compréhension d'abord. Et, la volonté de vouloir arranger, les, choses. Il, faut, il faut que vous vous compreniez. C'est pour cela, ne faut pas choisir n'importe qui. Le premier venu, ah, parce qu'il a tel critère que je veux, je le prends. Non. Ça a dit i gane laifinsa to don akwai wadansu kai kike da laifi kin san baki da laifi amma ana kiyaye sai kina baki yadda baki so a sa tor <laughs> a kan ki eh, a dora tor kin a ce ke ce ba amma mata amma dai cikin mu mata dai ba mu sauri wannan maza su ne masu masu girman kai lehi a dora musu kuma sun san suna da lehi amma dai ka san kai lehi matan ka ta kira ta ce wani buga da kai bai yi ba a sai ka ce to naji to Allah kake le respect c'est-à-dire la clé c'est le respect vu qu'on veut continuer ensemble sur le même chemin on se respecte et on reconnaît ses torts ben voilà ah ben, bah. merci à tous je crois qu'on a reçu beaucoup de bons conseils ici on a entendu beaucoup de bons plans mais avant de se dire au revoir on va accueillir Olivier qui nous vient avec sa chronique et on se dit, après lui, on se dit officiellement au revoir. Du 21 au 23 février, l'UNESCO a organisé une conférence internationale à son siège à Paris. Il s'agit de l'Internet for Trust. Et l'une des thématiques débattues est la suivante, la gestion de contenu et responsabilité. Amis auditrices et auditeurs, bonsoir. Je vous propose une chronique sur le sujet. Comme vous le savez, l'utilisation d'Internet et des réseaux sociaux est devenue très courante au Niger. Les plateformes en ligne offrent de nombreuses opportunités de communication, de partage d'informations, de divertissement et de commerce électronique. Cependant, il y a également des risques associés à l'utilisation d'Internet, notamment en ce qui concerne la gestion de contenu et la responsabilité des internautes. En effet, les utilisateurs nigériens doivent être conscients de leurs responsabilités en tant que créateurs et partageurs de contenu en ligne. Ils doivent respecter les lois et les règles qui régissent l'utilisation d'Internet et les réseaux sociaux, notamment en matière de droits d'auteur, de diffamation, de discrimination, de harcèlement en ligne et de protection des données. En outre, les internautes doivent être conscients des conséquences de leurs actions en ligne. Chers amis auditrices et auditeurs, tout ce que nous publions en ligne peut avoir un impact soit positif ou négatif sur nous-mêmes et les autres, et peut avoir des conséquences durables sur notre réputation et notre vie professionnelle ou encore personnelle. Il est également très important que les utilisateurs prennent des mesures pour protéger leur vie en ligne. Cela peut inclure des mesures telles que la configuration des paramètres de confidentialité sur les réseaux sociaux. Par exemple, qui regarde mon statut, qui ne le regarde pas, qui regarde mes photos de profil, qui ne le regarde pas. Et aussi l'utilisation des mots de passe forts et la mise à jour régulière des logiciels de sécurité sur leur appareil. Enfin, les internautes doivent être conscient de la nécessité de vérifier la fiabilité des informations qu'ils trouvent en ligne. En bref, sur les réseaux sociaux. La désinformation et les fausses nouvelles peuvent avoir des conséquences graves sur la société et la démocratie. Et il est important que les utilisateurs vérifient la véracité des infos qu'ils trouvent avant de les partager. On ne le dira pas assez. Mais c'est l'heure pour nous de conclure. En conclusion, la gestion de contenu et la responsabilité des internautes nigériens sont des enjeux importants dans le monde numérique d'aujourd'hui. Avec une utilisation responsable de l'Internet, nous pouvons créer un environnement en ligne sûr et positif pour tout le monde. C'était ma chronique sur la gestion de contenu et la responsabilité des internautes nigériens. Merci de m'avoir écouté. Rendez-vous la semaine prochaine Prenez soin de vous, sachez quoi vous publiez sur les réseaux sociaux. Et si vous êtes prêts, je l'espère d'ailleurs, allons décrocher les étoiles. C'était la chronique de l'émission Tous à la Fada, c'était Mr. Oli. On se dit officiellement au revoir sur cette émission. Nous étions avec nos jeunes mariés, pas mariés, de différentes structures, des étudiants, des commerçants, des pharmaciens.

Euh, qu'on est censé aller. On vous dit merci et on souhaite que cette aventure qu'on appelle mariage soit belle pour tous ceux qui veulent se lancer et tous ceux qui y sont. Samutie à Hutalahia.